la journée du mardi 13 avril 2021, aux environs de 16h10, un incendie a été déclaré dans les écoles. Pays-Bas 1, 2 et 3. Une vingtaine d'élèves calcinés. Le studio Kalangu est profondément attristé et profite de la même occasion pour présenter ses condoléances aux familles endeuillées. Bonsoir et bienvenue sur votre émission Jeune, tous à la fada du studio Kalangou relayé par ses différents partenaires médias, 46 radios repartis aux quatre coins du Niger. Bientôt, la version vidéo. Le mardi 13 avril, la communauté musulmane a débuté le ramadan 2021 de l'an 1442 du calendrier égyptien. Un mois mis à profit pour pratiquer le ramadan, l'un des piliers de l'islam. Des numéros spéciaux seront d'ailleurs consacrés à cette période avec plusieurs sujets de discussion jeunes autour d'un thème général. La jeunesse au rythme du Ramadan 2023. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous allons évoquer avec vous, amis jeunes, les difficultés de la pratique du jeûne chez nous. Les jeunes, fada désertés, et en groupe suspendu en journée, musique déconseillée style d'habit à revoir. Les jeunes vont revoir leur habitude. Comment et jusqu'où iront ces bouleversements. Comment être dans le juste milieu Face à ces interrogations, nous vous proposons le thème suivant à débattre avec vous, chers amis jeunes, sur l'émission Tous à la Jeunesse et Ramadan. Comment les jeunes s'adaptent Nous attendons donc vos contributions, chers amis, au 80 06 88 54. Tous à la fada, c'est 30 à 40 minutes de discussion, d'échange de musique et de chronique. Vous aurez la rubrique L'artiste s'exprime dans un instant sur cette émission. Décollage imminent. Jeunesse, c'est Ramadan. Comment les jeunes s'adaptent C'est notre thème de ce numéro de Tous à la Fada. Et nous sommes avec des jeunes. Qui dit jeune dit aussi Fada. Aliou numéro. Nous, Fada, Tibéri. son fada mo nigi famoyir se kam fada ranir wala fada ga misali ifo katti fada dene min ha fada zama sinanan kan yirgo fada daynirgo to ifo katti fada fada da tunan kan borai kyar morgo fa kare sanga misali ga borai fo gi mi chapa charse chapa charse sun sun kan boy salam to irma wadin oh. president aliun irga bai kan kuna ninno nirku bai ne irga bai mokai da fadan wucar ban da hamza gonara ma faisa ci gona hara asan banda ma fu kan ga kanga ma pare kanda emission wo dodo na gin ce yau su bukun ma ce bukun dinga fada fadara ga ce ngan da mr zuba da bear fad bear fad no ame kan mai ce ngo ago isa ci mai bai kan ai ga ha haibo ban <laughs> president rythme barmay zam fado wodine du wore ka samdi dimanche an kan goy sino za susu bato bore ni kerkubai ka der laro bogo yara agogo shayo dake shayo su zumbu na kan bore dira barkan ga taban wa ga taban wa barkan ga goro kamu ga goro kamu ga firsi kerega to woni wo kulu irga beka dora a asino mata cinano aran goga adapte da parce que girbi sintine wo asifa alfa president hankan tilas kulmo mukano yadin no ato don di irga sabun se mata mhm. kan ga bai me ho manti eh, haran giro na sintin dan mhm. ga eh, irfa dan cewo kan gogor bayar ir me ho hay kanto ifoni gine jiri waran ka cin guwal jiri waran za kan ga be kan ir ir di me haw bobo jire ga koy jire ga ka jir kulmu nga ninga ce diraw no zama haran dungai ay gi der ko ga ta shof ga ja no me ke igi ba ga dungai hinkinka dungai hinkinka kampanyo ban nur sino eh hando bu me haw furo noray ban ni ade harka aga bakarandi amma me haw matakan ga bai da anino burga kubenda to e, hando albarkantuno sayino borse borum di hando hmm. e, sayino borse yanga ay kulkanti bor goylal kan bordo nakate bor himno borma gisi irko mu duku bor yafa hmm. hal hando bu zamine bo kukandi hando ngono atakana hando bu hmm. atale kulu imani yafa se to bora bora sinda bora kafana ah bora kafana president neman amma saniko sunume zama ay bem toy misali ga ber fad do ber fad sende baga mi qur'an am chapay se fada ora ber fad toy se la pratique du jeûne de Ramadan exige que nos comportements et nos habitudes de tous les jours soient mis au placard. Est-ce que facile? Est-ce que on est au agfala aran se aran kankte jeûne? Parce que on est au donné au donné deno. Dagfalno. L'habitude n'est donc pas une seconde nature pour répondre à un vieux proverbe. Machallah. Arana. Shawo nandu kan gehmada. To dai dai kan me yawan do irko nir caba da bani da inda islam jama kulu mhm. ir ngware mo irko mir no ga ham bani kan ga banandi chimi nga mo diro hanra mm. o zade kan harangiro me ho matakan de yi bore borin kida mm. me hawno kan aka lokaci kan sandira mm. o lokaco sandiyaŋode kiti kan dungey gono mm-hmm. o borey jibay mo hay fo sira mm. eke borey himga ingey dirawo boryandi pour que mm. hirkom yafise o hirkom yafirse hirkom yafirse kulkan borgingite kan sibori kulu bor himarwana do teradin kan sibori hasan kes naimu tondo ay cine agata ta commence far sanino asin tali

Jibey. Jibey. Eh. Nous commençons c'est Allah dit Jibey. On le sait, le ramadan est une période de forte dépense. Et pour la plupart d'entre nous, jeunes, citadins notamment, nous vivons encore chez nos parents. Bakanoun, si nous parlons quoi. Tant. Dir Sambou. matkan de sonda ber fadin cida presda mon cida harka Asigifala. fala maskina la rango jere zada kine kan dunge go kulara to matka kada ne sama su falu jenesi matka kada ne ga ganda mm. dine nan furu fari forawo kunu ga nigi du haifon kan misalin bil matka mm. kada da ne ga ganda me hawo sin da nim ka nim ne nim kun san mai kan hin. Mm. donc me wa handu a saban dim boy ne economy bono mata dépense bobu no gara mata wiyan bobu no gara mata kaga haibobu dan hawo no alhaji dodo aske goyo go ma. to wallahi ni ne ya hayan kan moyto zama wadi mo de hawo kigi ci wo goy wonno kan bore ga dange la kolora me hawo sol me hawo sola kike ci do manti panso do harnago aniya do harnago anni go yoga anni go yoga mat ni ci da mm-hmm. donc anniya no borga hawo ga irkoy gan ga yafa ceci ga du subhanahu o amma jene bob ki fam da sola ki gocin sola di manti ko ga ji fo dai ko ga hay fo fo de ha a ni anniya no ni ga hago borendi go ga hando ko ba ambori tawo mat kai da no ya no fam da to ne mun hasan fa matin hamza erga be kan bora kul sitina da sintina no jingare ga to o me zira fo ga zabu jabba e gida da tonto ne gi ka bore kan da ze ne gi sara ndo ko bu e gi sam chano no alalo aran dida jere kera gamara ne mando don kubanda da boryan kayan goga kasiyan jere bay fomara me hawra me hawra ah to me haura isini iku ai kom ine yo de me hawlo fada hawra yo ine me hawate me hawate igi shetani bere kul haw oh. kala ikaine hambar ba hambar sur ces propos eh, eh. l'artiste s'exprime mesdames et messieurs c'est une rubrique de l'émission tout ça la on kiffe et tout de suite la suite ne pas respecter ses parents avant la diplôme chômeux avant la richesse à misère nos moments ne font que pleurer les enfants sont vus dans le désert la France ne fait que nous niquer. niquer. Les promesses sont blabla. Non, non, non, non, non, non, non. Non, non, non, non. On en a marre. Mais alors, merde. Merde, je du merde. Mais alors, merde. C'est pas de l'égoïsme, je dis merde, merde, merde, merde. Non. Non. Non, non, non, non. Non. Non. Non. Non. Non. Non, non, non. Eh. Pourquoi toujours nous pourquoi, pourquoi, pourquoi, pourquoi, pourquoi toujours nous Toujours nous, toujours nous. Pourquoi pas et eh? Voilà. Pourquoi toujours nous Pourquoi Pourquoi, pourquoi, pourquoi, pourquoi, pourquoi toujours nous Hey Nigérienne, Nigérien, mes chers compatriotes, surtout Salafada, la pioche s'exprime. Hey. Vous, vous rappelez certainement de l'artiste La Pioche. Elle était sur l'émission Franco Aoussa hier avec la Miss Stream. Nous avions parlé du parcours en question de la combattante. Elle a commencé la musique en 2020, moins d'un an. Elle a occupé ces derniers temps, la toile, les réseaux sociaux, Facebook, tout le monde en parle. Vous avez eu la signification de la pioche. Aujourd'hui, sur cette émission, dans ce temps que nous allons réunir toutes les conditions qu'il faut pour parler de sa musique, pour parler de son freestyle, pour parler de ses projets, pour parler de son album. Mais ben, c'est ça, l'équipe jeune du studio Kalango. C'est Nisaka, Ils sont de l'autre côté, la surréalisation de cette émission. Et les humains sont de l'autre côté, ils nous observent. Cardi B, Nigérienne, La Pioche, notre grand P, Paix comme Pioche. Nous te souhaitons. Ah, Nampa. enfant. Alain. grand P, mon enfant. <laughs> Oh, La Pioche. Je te souhaite la bienvenue. Comment tu vas Ça va très bien. Tu pètes la forme Ouais, ça va, Dieu merci, Alhamdulillah. On te souhaite une fois de plus la bienvenue sur cette émission. Hier, on était ensemble, on avait parlé de toi, on a parlé de la pioche dans toutes ses formes et dans ses dimensions. Aujourd'hui, nous allons parler de freestyle. Freestyle, commencez d'abord par ce que tu viens à l'instant de faire. C'était quoi le truc C'est quoi le titre Pourquoi c'est pas de l'égoïsme. Donc, c'est pas ah, de l'ego. C'est pas de l'ego. Ouais, c'est Après, je c'est pas de ah, l'ego. Ok, c'est pas de l'ego. c'est ça le titre de la chanson. Voilà. Pourquoi, pourquoi, pourquoi Qu'est-ce que tu racontes dans la chanson Premièrement, des choses, ne pas respecter ses parents. Ouais, bien sûr, on doit respecter nos parents quand même. Ça, c'est la première des choses à faire. Avoir la diplôme chômée Avoir la diplôme et Ok, ça fait deux. Avoir la richesse à misa. Avoir la, richesse à misa. femme da misa. la de bata, nugo misara. Olmo bindi, il faut la diplôme et pourquoi pas le diplôme. de bata. Oh. nisiga Kago gumwagma kandi gushotara nugo ah, oh, avoir la richesse à ah. et aussi pourquoi pas la la pourquoi diplôme. le et euh, eh, pour... Pourquoi pas le diplômé euh. J'ai décidé vers la, euh, le diplômé, avant la, le diplômé chômé. Ah. Nene Askoy. À Kekaïs. Nous, on fait le moral là, non Là. Voilà. Pourquoi la diplôme est chômé Nemeno, machine, on gagne la pioche de bague sambou d'ara Ta. de kan kona n'ego te carton, nugo cartonné Facebook. Niger, on met un kunjé nego kan sani.

Foule le contraire des trucs folies, dingues. Hi voilà, il a ne pas rater, ne pas rater vraiment. Voilà, trop de, de trop des choses dingues de folie. Ouh, kadaran des clips. Donc folio du moro ay mo guci oron se kangir ban. Kim ko, kim ko, On y va. À l'instant c'était donc euh, l'artiste s'exprime sur l'émission Tout à la Fara, cette émission consacrée à la jeunesse nigérienne. Jeunesse et madame, comment les jeunes s'adaptent, c'est le thème à discuter aujourd'hui sur cette émission avec nos amis Faranché. Pour rappel, nous sommes avec Monsieur Ali Ounumor. nous sommes avec Hamza, toute la Farah est présente aujourd'hui sur cette émission et nous sommes nombreux, c'est ça non ouais. super, donc du coup, euh, ça va être compliqué pour moi de citer tout le monde. Président, deuxième série de questions. Comme présenté au sommet, le mois de Ramadan vient avec beaucoup de bouleversements dans nos habitudes et comportements. Pour vous jeunes, quels sont les bouleversements les plus notables que vous avez rencontrés et que vous avez l'habitude de rencontrer Écoutez, le bouleversement, hmm. c'est notre quotidien. Le fait de se retrouver dans la journée, prendre du thé et discuter, hmm, hmm. Euh, on va devoir se patienter pour, pour un bon mois. Et les échanges même sur les réseaux sociaux euh, changent de température, en tout cas depuis la veille du ramadan, mieux même le soir pour ceux qui fréquentent euh, euh, certains endroits, ce n'est plus, ce n'est plus possible. Mhm. En tout cas, jusqu'à la fin du mois, ceux qui consomment de, chicha dans la journée et tout et tout, mhm. euh, il va devoir, en tout cas, se, patienter jusqu'à ce que ce mois-là finisse, parce que c'est quand même le mois le plus important mhm. des 12 mois de, l'islam. C'est le mois dans lequel le bon Dieu, en tout cas, établisse son programme annuel. Donc, si jamais on rate ce programme, euh, c'est pour une bonne année. Donc il va falloir mettre, en tout cas, nos intérêts souvent égoïstes de côté et se conformer aux principes euh, de la religion. Donc euh, c'est des contraintes, mais qui sont importantes pour notre devenir. Donc, on n'a pas le choix que de s'y conformer. Voilà. Tout simplement. Je reviens donc à M. Fad. M. Fad, sur le plan académique, ou professionnel, comment supportez-vous les choses surtout quand on est affaibli physiquement avec la faim ou la déshydratation, quel impact cela a sur vos activités au quotidien eh cela euh, vraiment dérange un peu, si on peut se le permettre, mhm. parce que euh, ça va aussi impacter ce qu'on appelle, euh, comment on appelle ça, de la rentabilité, mhm. ou bien l'efficacité même voilà, du, corps administratif. Uh-huh. Parce que les gens ne peuvent pas aussi se donner au maximum vu que vraiment il y a ce qu'on appelle le jeûne et également la, la, chaleur. Voilà, comme il faut aussi dispenser les cours de, de, 8h à 13h30 et c'est surtout la période la plus compliquée. Voilà, quand on dispense vraiment les cours. Et avec également les élèves qui s'y mettent pas pendant que les enseignants dispensent les cours. Donc du coup, ce n'est vraiment pas chose facile. Hmm. Mais il faut quand même faire avec. Ta, irma plan professionnel bon Dieu ben, irmi mat kirana ge manda ne ya hawoneya kinano arango hingo wone jerada servite zeno arango tandig da karam bongay bon wal mamata na da zan fara ra ah. kudu ma dir gon palam borai gono da kol metere gono bora kudu mano gono ta habo ke fisibillahi borai go igo wainara ta boray gono kangenge wana din dan borai mo gono kangenge servite tendi dunga gono bora ga baneran ndomo. donc dol bora goro woina ra aga nga nerando te am dugudu kena kan aga himanda oh me dodo aro matkirano arka goy manda arando goyo go gazabu mo wolmo binde misali aran gwala halo ere di ni barme aran seno wolmo binde aran go gade gnar fu kode matkarno gnar fandana to wallahi harka kade suru go mana barmai matki irgi milanda me au contraire goyo tonton n'o ni ade son kay binde ni gana no goyadi amma su no zan bai kulki ne ma me haw mu yega kai wayna daga goy cindite te kala er cindi ak dorandi amma hay kulkam bor san mun kam hinka da anniwo kula ga yega dogon dayno insha Allah an ga bor mun gote kay man gote matka kada ma anniya dan ak oh. dorbo zanin binana no bisantano o oh, kammo ay kukan no kan sintin kunno ban masha Allah nous allons prendre une pause On va aller à musique islamique parce que sur cette émission, il nous, il nous faut quand même une, musique pour euh, souhaiter donc euh, la bienvenue au mois de Ramadan sur l'émission Tout Voici donc pour vous de la musique euh, islamique. À l'instant, c'est donc la musique islamique sur l'émission Tout seul à Fada. Cette émission consacrée à la jeunesse nigérienne. Jeunesse et Ramadan, comment les jeunes s'adaptent Le thème du jour, nous étions donc, euh, euh, n'est-ce pas, en début d'émission, on l'avait évoqué. Nous sommes donc euh, toujours avec les jeunes, les jeunes de Fadanché. À présent, nous allons chercher des solutions d'adaptation. Amis jeunes, président, commissaire général, vous avez énuméré des difficultés de Ramadan liées à vos habitudes et comportements sanga shawe waran sigi go zumat ka himanda da che dero fongon kan waran sigi taga aran kan alors comment chacun à son niveau s'efforce de trouver des solutions pour gérer la situation zama hamu waya ban zarira président ne sener go hankan écoute donli euh tina kango me haura mm. boro mahimmanci ma alali c'est à dire que man tidanga contrainte non Mm. zama suji wani handuno mm. danga do bordi kam yaw no bor tare mm. ga sofre kuno bor sudara borga teno bore mu dise wor borga teno bore ma kan go mai hau wodo gomni kuno sara bor him bayno kan mai hau arsalam tore goy kul kan bor gogati ni bon se non gogati kal me haw me haw ir ko ne asofra bumbo ngi hinno ga e, dimma ba yani ga ma ni dan kate ma temo da da bin follon e, woni banda handu fono jiro sini kala handu wekin hinka mm. yaran ga handu folo mehawo hawo ka andu nya andu nya tunan boroy bon mhm. eh, woni banda be hal bor mehawo banan tano mhm. do woni sino borom ni dan kate amu bori mm. borom ni dan kate kanga nan borom margande le latu kadir chino me mm. handu handu worno karra inal qur'ana zumandi handu no karra chin gon ka ine awana albarka gbisa handu zambor fo handu zambor fo ni bay dini la sabu gir margina gate donc jiro ni borsin kudwa donc won sono me hawo teretono arsalam kurse matkani di habizai igina di jingoro wo kange teretono yani nga me hando no dang teretono arsalam kurse zam loko chodin no boro boro wana kodor kodor chino no tilele tul kadro dang irko gin kodor borse kan nig buharan bornwara kan borte hando wara maga mm. irkoy a kodor kan borsubu ni famola aginte kodor borse kan talkano borgte mm. hando du bodan kimandi sama. e arsalam tare ngware kan borgte moni mi tedi kimandi an sari no conviction ça mm. dire ko dingo girko ngware ine mate dangade ay kusini daga mara ah. to agate reno president nal faktara timma <laughs> berfat to ise bere kendo Comment gérez-vous plus spécifiquement les dépendances, surtout en ce qui concerne certaines addictions auxquelles les jeunes n'échappent pas Masha'Allah, ayne me hawo dai eh, lokacin o kanra hmm. burkulu kokari wo kan goni bon hmm. nima ta bori mata kan president kida amma nga noti ine nim site hina wani hina wani woni singa ba ate ni wana de nigite o zamine borfo fulu kirese ne ma himo dan jis ku dan ni bongora ko kan goni si baranga no nigir mayo ferinda mm. da da bine hinzu no goni se din ver me fo hari ine agu wasa me farmai amma ni di zade kan me hando hando albarkantano mm. arsilamu kunno go ko kare inga ming nyaizo konzo inga mm. minga nyaizo gaksine irwo gaksina ni aranirgo kunne wona kirkawo irkela din ni ninga no burnye kak me feri e mata sangade hayno kan ter se do dodo <laughs> borai mun margu cerao zamiru be kanu fadara ni skoptu ngo ansi telatiga <laughs> to borai <laughs> ne ba wala ni koptu jengu ngo wori be ne kanu ba ba ro fun mer zaci <laughs> to borai mun margu ngo cerao mutuna ga himanda no woni jengu ga wallahi ai e jengu ga ah. hadde yi ci ci har hannu hmm. hadde yi ci ci hankan kan bin se kulsi to nan kai mune tuniya a follon bona kulgo kamadan mhm. parce que wodin borai binai ga kani carga igi nane carga ga tonton aga nan mu jama ma faham da carga tonton jama ramu borgon da apeti hasan ni gane to nin noka nin ni ga hau irga be ka asufa alfa specifically dépendant sang misali ga ne done wo hankam ga ham dona wo asufa la amanan to so matcinano arang famne en tant que jeune matcinano argo ngone wo supporter da <laughs> mantime hawo dona mun ta hara dije wo ne mai amma dona karan dona jene aran no izu no e doli o kan go cidin ba me ho banda mm. al me ho kabumbo mm. e eh, bore ngoro kan go dona mi mm. yanga dole no irga adapte da no asir bayira ana be dina jeune orga bayir jeune da ay ku kanta dana sigara dan kan gi man din kul e eh, be za irko de no <laughs> no wadi me zan ga din kal nim ku irko gano haikin dini him gana me wo kan bora go te bumbu irko go diya me mm. donc irko hando haye din borom mina irko hinne se man ti bor fose borom sitano e jindaw dole mm. ome da tonton boku ting no kanga se me aldir ging to woni ga e gir chora che kan sigino olivier am kan mo ngala baro go tonan di niger kul ga pat za de kirbe kair furme yaw handora handu fo mono irgite irgo me haa Amis auditeurs et auditrices, bonsoir et bienvenue dans la chronique de ce soir. Hier, nous avions conclu notre chronique sur cette série de questions. Si un diplôme brillant n'est pas aussi alléchant que cela, qu'est-ce qui est favorisé à l'embauche Le mérite La diversité Eh bien, ce soir dans la chronique, c'est la suite de nos réflexions d'hier. D'abord, regardons un peu de près. Selon le psychologue Ser Moscovici, Lorsqu'un élément brillant réussit à franchir la porte d'entrée de l'organisation, à progresser et à exprimer ses idées dans un groupe, il risque de causer des dissensions. Sa consoeur Geneviève Péchelet souligne qu'avec la capacité d'entraînement et d'innovation qui le caractérise, ce genre de profil pourrait même réussir à gagner une partie du groupe à sa cause, créant ainsi la discorde dans l'entreprise. Pour résumer, un collaborateur très doué est un contestataire potentiel. Un risque pour l'entreprise de voir son fonctionnement perturbé ou pire, sa norme dominante modifiée. D'où la volonté, qui vient dans ce cas des plus hautes échelles de la hiérarchie, de limiter l'influence de ce type de profil. Alors on se demanderait tous, que faire Les éviter Les éliminer ben, Bonne nouvelle. Dans son livre Leading the Revolution, l'Américain Gary Hamel affirme qu'en contribuant à l'innovation, ce genre de rebelle organisationnel, entre guillemets, crée un climat favorable à la créativité. Il faut non seulement encourager ces atypiques, mais aussi les protéger contre la tyrannie de la moyenne. Dans un monde mouvant, fait de changements permanents, l'entreprise a besoin de tels profils pour se reconfigurer en permanence. Alors, la notion de meilleur ou de haut potentiel ne s'analyse plus aujourd'hui au regard d'une performance individuelle, mais plutôt au vu d'une interaction entre les personnalités, entre des personnalités talentueuses et différentes capables de régénérer l'organisation. Les professeurs en management Sébastien Ronto et Thomas Durand insistent sur le fait que la diversité constitue une manière de porter la contradiction au sein d'un groupe. C'est cette diversité qui permettra d'instaurer au sein de l'organisation une culture d'innovation permanente faite d'agilité, d'ouverture, de droit à l'erreur, tout ce que vous voulez. Mais cette culture que tout le monde appelle de ses voeux ne s'enracinera pas tant qu'on continuera à donner la préférence aux uns et le mépris aux autres, a rapporté Eve de la rédaction du magazine Capital Management. Alors, face à un vrai potentiel, faites le pari de la diversité plutôt que de claquer la porte de la bergerie de peur que le loup n'y entre, dira Eve Isern. Et nous, nous avons conclu cette chronique avec cet adage populaire qui nous dit ceci. Si vous pensez que l'intelligence coûte cher, Essayez le prix de l'ignorance. Et là, vous verrez la différence. C'est la fin de cette chronique. Paix, lumière, amour sur vous. Rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye. À l'instant, c'est donc euh, la chronique de l'émission Tous la Fada. Cette émission consacrée à la jeunesse nigérienne. De Tchawiyanto Sukutugade Aban. son tour Borkul Kangone ou Fada Orano. ga kandin ga sanni izi follon ga tonan da niger jenne kulga kayan goga jene dawo kayan siga jene jene kulkan go hankan ba kukan ban go ga sanni zi amma tonan da president na do nirg sintin jene kulkan go jene irgo ngware irko manan imme hawo handu banen din da bani gomni kulkan gwara irko mano irse gomni kulkan gwara irko mano ir labose mhm. eh, irgo ngware miaw handu alhormara furta jen kansin da goyi mhm. irkomino goyi o kansin da wande irko wande ira izai irkai ne kanyan tekisi gobarara mm. ibu shahid mm. irko mi sugi irko yafa irko warai balawo dumo irko kambandi kaka in nijar labora irin su da sargai irin su farganda zami zamine me wando mm. ba da bi ne zafallon ni borano ame farmai mm-hmm. e nidu sufure dangabar kan da zaro mai hau bora gudun gusu fura ni gudu bora safara wana kinyanga man fu handu no kan bora him ka sambu fore ko mhm. e furta game gabandi mu hando kir ko ndir ba abisa da hanne kan ir duwara ir mu koy dai digine mu yaw hando bande ir mu bakere ir mu bakar charse ir mu ba ir labo ir mu bakar ir labo se amin malam amin hamza gomba tonu ga usalla se gomba to alaje me kudi donu kan ko e to sẽn bã yõ kulu président ki mais mhm. a yoo tõn-tõnd ne kẽnde tõn-tõnd d sɩrmã ir niger commerçant ye mam tɩ jane niger commerçant ye kan go tsobege tõn-tõn wãre noorega koar fo yẽ goon kãn miaho to ig zabuno wãre nooroga n ge i go profite no go tõn-tõn a sibay sufare ni go keki wall noor ni i go keki hando kan ine bora ma dugõnad kɛrse bora ma duga sufare n wo ig tonton o ayo kan ibo hayu garin imo dogonen boresi bari koy mon bare haw ber fadna ay ne mata kan de ay calani ci da hamza dini don ay mogu tonton no to ber fat o zama borsin ka kulci mhm. o kan bore ci din bonde ni da kin mon wana o donc commerçant e wana din kan ago ne dini commerçant e din zade ka er koyte inde kura islam yenno mm. e ikul ir er ko se mono igo me haw mm. me hondo ramo ndir go borem te charse dogone borem dogonan di charse mata kirci er da kan haran jiro me haw aka lokaci sandara kankati dungai gono borai zibai mo haifo sira ya dinga ima ma ima te ir koise ir kul mate ir koise ima dogonandi arsilamai se ber fad ir mani se jibai nigano gano gombato aiwa halka kasuwa ga yiwo kan bori sanan zam commerçant wono bonno ne bay commerçant ne bay ay fogono kan bori sik famda commerçant ndo par exemple im sam dai lemu kenao mm. lemu kenao lem kena kan bore ile marut lem kena o din ko ga samu commerçant bere do sako 25 kilo aste kala 75000 zambar wake nu to ai bayan kabu in kabu no ihin kidalgu wali hin kidalgu asin gawo donc za benano chada din gogote mhm. za commerçant kan gondo no ordin ngi no gogo chada te kan gana ikene mo gogo ce kan ngara mhm. ma wadi hino remission kirgite di abonno woni kulgu zuru hasan wangani se nisanno nirga bay mission yo jene bonne ga bay misalan to irin ko jene jene kanga foi ga me hau mm. dina hari han me mm. ko furinga goy zenera izu futu tarara wallahi in bai kan ya mun yi gote vraiment mm. wodi nega ba in bai kan o tabiya mono donc imanan yo sanno kayga ɓem tontonnoa alage ɗo ɗo donc yo ay tiyango kayga tonan jeune ɗo manti jeune hinnano ay wo bora kunna concerné an do ko kirkoynirno alloma yer duga diya irma kaye ga goy irkoy se dirbum bobon se samo handu albarkanto a bera cine ga gabu borsi ba hal jine ni gingu dwa katifo matkan cinin cida ay kursi min ko sufura irko wonno irko no nanga ga bai matkanci nga nonse ya nga irmu kokari ga goy babandi i hanno iru jenne irmu bai kan handu ranir go handu albarkante irmu kokari go babandi gudu handu albarka neme no do do machino agogun fondo ina ma irko demta émission o a tongame er mur ino sati forum ga kanda aranse jeune